le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 13 avril 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par le réaménagement technique du gouvernement intervenu mercredi soir avec le remplacement du ministre du MPN Kishinkasa qui du coup cette formation euh, politique a choisi de rompre avec la majorité au pouvoir. Sur le plan judiciaire, la réaction du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman, section de Maradi, qui s'est penchée sur le refus constaté de certaines autorités d'exécuter des décisions de justice. Au plan sécuritaire, c'est l'enlèvement d'un humanitaire allemand mercredi 11 avril par des hommes armés à 30 km de la ville d'Ayoru, région de Tilaberi, non loin du Mali voisin. Sur le plan académique, nous allons encore parler de la crise à l'université de Niamey, même si les cours semblent reprendre dans toutes les facultés après des mois de perturbations diverses. Enfin, nous parlerons de l'Assemblée générale de la FENIF Tenu tenu samedi dernier à Tawa. Avec euh, nous en ce moment pour euh, développer euh, ces thème, Abachari Arimi de la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Nous, attendons des moments à l'autre Sédic Ali, journaliste, analyste, analyste politique, qui doit en ce moment être en route. Le président du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yakuba, désormais ex-ministre des Affaires étrangères, a démissionné du gouvernement. Du moins, c'est l'annonce faite par l'intéressé sur Twitter. Il ajoute que son parti, le MPN Kishinkasa, quitte l'alliance des partis au pouvoir. La ministre de la Communication, Madame Sani Koubra, du même parti aussi, n'est plus membre du gouvernement. Tous ont été remplacés. Abachari Animi de la radio alternative. Quelle lecture faites-vous de ce réaménagement du gouvernement intervenu mercredi soir ben, écoutez, euh, ce qui s'est dit euh, à propos de ce retrait de MPN Kishinkasa, c'est l'action que les gens se posent, c'est une démission, c'est, euh, comment on appelle, si c'est le président de la République euh, qui a fini euh, finit par euh, mettre fin aux fonctions des représentants de Kishinkasa au gouvernement. Moi, j'ai dit que c'est les deux. Euh, c'est les deux en ce moment, en ce, tant que on s'est rendu compte, dans tous les cas, depuis un certain temps, que ça n'allait pas. Euh, beaucoup de liens ont été faits avec euh, l'affaire Assoussou parce que la dame de Assoussou est aussi euh, euh, l'épouse de l'ex-ministre des Affaires étrangères et tout, mais tout laissait croire, c'était perceptible que ça n'allait pas entre les deux alliés, le MPN Kishinkasa et puis le euh, PNDS Tareya ou le président de la République, c'est pratiquement la même chose. Et moi, ce que je constate, c'est que le euh, lièvre soulevé, euh, levé par euh, le MPN Kishinkasa, je crois que c'est réaliste, c'est assez objectif. Beaucoup de militants de l'opposition restent quand même sceptiques jusque-là. au sujet de leur départ. Bon, c'est vrai que on est habitué à voir des choses euh, de la part euh, du premier responsable de ce parti euh, qui nous a offert un véritable spectacle lors de son exclusion du parti au pouvoir et qui est revenu de plus belle, qui a démontré de quoi il était capable. Mais je pense que cette fois, c'est une véritable rupture. Seulement, on ne peut pas dire que deux parties, leur chemin leurs chemins ne se croiseront pas encore à l'avenir. Seulement, je pense que cette rupture est plus sérieuse que désormais, au cas où il doit avoir contact entre les deux parties, ça sera vraiment sur des bases encore plus solides. Selon vous, Abachari Arimi, la rupture est déjà consommée euh, À mon avis, oui. Parce que quand même, c'est le premier responsable qui l'a écrit. Nous avons vu son tweet. Hier, hier son parti a rendu public une déclaration, pour soutenir son président. Oui, ce qui est bien pour ceux qui le supportent, c'est que le parti est allé euh, la déclaration, vous avez vu, euh, a été faite avec l'ensemble de leurs euh, députés, mhm. parce que la rumeur a couru quelques instants avant qu'il y avait euh, des députés qui étaient réticents. Même s'ils le sont, le fait de participer, je crois que à la déclaration prouve plus ou moins que ces choses faites désormais. Mais on sait euh, les rebondissements politique euh, dans ce pays, il faut toujours s'attendre à des choses et malheureusement on est habitué en cas euh, de problème euh, à ce que euh, une partie euh, de, de, de, ce parti se, se, se, lève pour dire que eux ils sont d'accord avec euh, le, le, le, le, président de la République ou avec le gouvernement. C'est déjà commencé à Zander avec le vice-président du parti et sa, et sa base. Voilà, donc c'est malheureusement ça et c'est ça que d'aucuns qualifient de concassage des partis membres de la mouvance. J'espère que euh, ça sera plus productif, plus euh, ça, va apporter quelque chose à la démocratie dans notre pays. C'est surtout ça notre euh, souci. Gary Amadou du journal La Nation, êtes-vous surpris du départ d'Ibrahim Yacoubou et de son parti de la mouvance présidentielle Oui, surpris. Euh, en matière de politique, tout peut arriver. Déjà, je veux ajouter que par rapport à ce que vous avez dit, les, les, les, les affiliations des sections régionales, après, Zender Maradi a rendu publique une déclaration qui est visible sur les réseaux sociaux où ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, euh, leur président. Donc, soit dit en passant, euh, il est quand même bon de rappeler quand même que c'est par un tweet que lui-même, Ibrahim Yacouba, a expliqué son départ. Donc, ce n'est pas une démission, il le reconnaît parce qu'il dit qu'on l'a appelé, le Premier ministre l'a appelé, et il lui a fait savoir que le président de la République ne souhaitait plus le garder au sein du gouvernement. Et c'est là sur place qu'il a rédigé un mot, n'est-ce pas C'est comme s'il a été démissionné en réalité. Donc il a reconnu lui-même. C'est pas de, que lui, c'est pas lui qui a pris l'initiative. Il a été appelé par le premier ministre qui lui a fait signifier qu'on ne veut plus de lui au sein du gouvernement pour des informations qui seraient en possession du président de la République. Des informations, c'est pas une seule information. Donc euh, euh, effectivement, quand on suit, euh, selon ce qu'on a appris, ce que les publications du, président du MPN sur les réseaux sociaux n'allaient pas, n'étaient pas en phase avec la politique de la majorité. C'est-à-dire que euh, selon ce que nous, nous avons compris et selon ce qu'on nous a rapporté, pratiquement le MPN Kishinkasa était en train de ramer à contre-courant de la dynamique de la MRN. Pire, c'est qu'au niveau du code électoral, que les députés du MPN Kishinkasa ont voté. Mais le, jour du vote, euh, Gary Hamadou, ils ont quand même émis quelques réserves. Non, mais c'est pas ça, Et tu sais, en politique, il faut savoir s'assumer. C'est extrêmement important. Quand on ne sait pas s'assumer, eh bien, on risque de récolter les pots cassés. Parce que quand quelque chose, vous sentez que cette chose-là n'est pas bonne, ce n'est même pas la peine de vous aventurer. Ils n'auraient pas dû voter. Euh, Parce que, oui, ils n'auraient pas dû voter. Pourquoi je le dis Parce que l'histoire retiendra que quand même, ils n'ont pas voté quelque chose en quoi ils ne croyaient pas. Mais à partir du moment où vous avez apposé votre signature, vous avez voté, vous ne pouvez pas revenir pour dire que c'est mauvais parce que vous, vous êtes comptable de en, de ce En ce temps-là, le, député du MPNT Shinkasa Korené Mansené disait que l'état actuel du code électoral, c'est les grands qui risqueraient euh, de manger. Mais il ne fallait pas voter, euh, Mohamedou. C'est tout simplement, c'est très simple. Je suis en train de te répéter qu'il ne fallait pas voter quelque chose en quoi tu ne crois pas. Bon, aujourd'hui, si vous m'apportez un document sur lequel vous me dites le signer, si je le signe, si j'ai des appréhensions et que je le signe, je ne dois pas revenir le lendemain pour dire que, ah non, euh, il n'est pas bon. Non, non, non. Puisque j'ai apporté ma signature. Et c'est ça le sens du vote que le MPNK a fait. Il n'aurait pas dû voter pour moi pour être logique avec soi-même. Ils n'auraient pas dû voter le code électoral. Là, l'histoire retiendra que quand même, ils sont logiques avec eux-mêmes. Ils disent que, ah oui, oui, ils ont été logiques avec eux-mêmes pendant tout le... Parce que eux, ils ont... J'ai dit non. Parce que moi, j'ai discuté avec certains cadres du, J'ai dit non, vous, avez tort. J'ai discuté avec le président du Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une, autre désaffiliation des partis de la mouvance présidentielle, telle que le, RD, le RSD Gaskia Non, je ne sais pas. Vous savez, je ne suis pas un devin. J'ai pas une boule de cristal devant moi qui, me permet de, de, de, de présager l'avenir. Je suis pas, suis pas un sorcier. Ils ont cheminé quand même ensemble. Non, mais je suis pas un sorcier pour savoir ce que l'avenir va donner, n'est-ce pas Mais tout est possible, n'est-ce pas Comme Armin l'a dit, tout est possible aussi que le MPN puisse revenir avec le PN de la. Mais tout est possible en politique, il n'y a jamais, jamais. C'est Germain qui le dit. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mais ce que j'ai dit, ce que euh euh euh, euh, euh, euh, là, et, le MPN vient de quitter, mais le plus dur est à faire n'est-ce pas Le plus dur, ça fait parce que eh, il n'est pas évident. Comme on a vu Maradi, on a vu Zender, il n'est pas évident que les sections du pays. Donc on peut s'attendre à ce qu'on appelle euh, le concassage des partis politiques. Non, ce n'est pas, un concassage des partis politiques. Le politique politique, il, plante les germes de sa propre division. Pourquoi Parce qu'un président qui vient, qui signe, moi, moi je rien, moi j'étais, je, l'ai critiqué, je vous ai dit que je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, mais <laughs> vous ne pouvez pas et, et démissionner et en même temps vous dites que votre parti quitte. Vous savez quand Hama a quitté la majorité présidentielle, Hama avait au moins mis la, la, forme dans la chose. Parce que quand on n'a pas pris le ministre du, euh, de Lumana au sein du gouvernement, qu'est-ce que Hama a fait Hama a remis le, bureau politique de Lumana. Et c'est le bureau politique de Lumana qui a rendu public une déclaration à partir de laquelle ils disent qu'ils sortent de la majorité. Vous ne pouvez pas venir devant le Premier ministre n'est-ce pas, décider que oh oui, vous démissionnez et que votre parti quitte. Parce qu'un parti, un bureau politique, un parti politique, un bureau politique qui décide de la, de la ligne que doit suivre le parti. Donc, déjà il y a la faute. Et beaucoup de militants ont été frustrés. Et c'est pourquoi je vous dis, le plus dur, à faire. Il ne s'agit pas de démissionner de la, de la MRL, il s'agit de garder vraiment la même mise sur le parti, ce qui n'est pas évident. La la plus dure, partie reste à, venir. Abbachari Arimi, euh, quelles peuvent être les motivations d'Ibrahim Yacouba et de son parti en choisissant de quitter l'alliance au pouvoir après seulement deux ans de mariage, si vous me permettez le terme Mais écoutez, c'est aussi simple que ça. Ils remettent en cause euh, un code électoral euh, qui, ils estiment, est à leur désavantage. Autrement dit, qu'ils ont des ambitions d'aller aux élections, de faire valoir leur droit d'être votés et de jouer leur rôle de parti politique dans la configuration même future, n'est-ce pas, de l'échiquier politique de notre pays. Je crois que ce n'est que ça et je crois que c'est très légitime pour un parti parce qu'un parti, tu ne viens pas pour accompagner les autres. Un parti, tu es avec les autres quand tu as, tu te sens respecté, quand leur, quand tu estimes que le jeu est loyal, ils estiment que le jeu n'est pas loyal et que les grands vont manger les petits. C'est aussi simple que ça. Et je Pour répéter les termes du, du Coréné Mansani Tout, simplement. Tout simplement. Moi, je pense que c'est juste et je pense que ce n'est pas fini. Malheureusement, euh, pour revenir sur le tweet de Ibrahim Yacouba, il faut euh, préciser que moi, je connais pas leur, euh, les textes de leur parti politique. Euh, je ne sais pas déjà où est-ce parce que la crise était latente, on a vu que ça, ça a juste explosé, n'est-ce pas Est-ce que ils avaient discuté déjà au niveau de leur parti politique tout ça qu'il faut savoir Mais ce n'est pas notre rôle de dire qu'il n'a pas respecté les textes de leur euh, parti. Non, c'est ça c'est aux membres de son parti de dire. Ils ont eu à se réunir à plusieurs à plusieurs Maradi hein. a dit, Zender a dit, bon, c'est leur cuisine interne, c'est un autre épisode du, de la crise. Gary Amadou rapidement en 30 secondes. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est que non. La preuve, ce que malgré ce qu'il a dit, l'espace sur son tweet, il a fallu qu'on mette la forme parce qu'il faut que le bureau politique, c'est lui qui est censé se présenter. Mais il y a eu des réunions en amont. Non, non, non, mais attendez, les réunions n'ont pas annoncé la, sortie de MPN Vous avez entendu la, sortie de MPN Jamais. Donc c'est hier que le bureau politique de MPN s'est réuni pour dire qu'il sort. Donc je crois que c'est très clair. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, section du Maradi, a réagi suite au refus d'obtempérer de certaines autorités aux décisions de justice. Pour Nadim Mohamed, membre du Saman Maradi, il il est déplorable de voir ce genre de comportement dans un état de droit. Pour lui, cette attitude est une infraction à la loi pénale et est condamnée par le code pénal. Il est au micro de notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman. On ne peut pas comprendre dans un état de droit une république démocratique où l'exécution des décisions de justice souffre. Nous, nous pensions que dans un état de droit, une décision de justice s'impose à tous. Et ça, à tous les niveaux. La résistance ou le refus de l'exécution d'une décision de justice est une infraction. C'est prévu par l'article 196.3 du Code pénal qui dit entre autres que toute autorité dépositaire de la force publique est obligée de porter main forte à l'exécution d'une décision de justice définitive ou exécutoire. Parlant de l'exécutoire pour le cas d'espèce, c'est une décision dans laquelle le juge des référés avait ordonné l'exécution provisoire sur minute et avant tout enregistrement. Cela veut dire que même si une partie n'était pas contente, même si cette dernière doit exercer les voies de recours, ça ne peut pas empêcher l'exécution de la décision. On doit respecter les institutions de la République à tous les niveaux. Les conséquences de ce genre de situation peuvent dégénérer. Nous devrions faire le maximum pour éviter à ce pays certaines choses dont les conséquences peuvent être énormes. En résumé, c'est pour dire que vraiment, les décisions de justice garantissent même la stabilité. Monsieur le juge, dans ce genre de cas, euh, est-ce que les autorités peuvent être sanctionnées Parce que nous savons que si c'est juste un citoyen lambda qui refuse d'obtempérer une décision de justice, c'est sûr, il va être euh, interpellé et peut-être même mis aux arrêts. Je vous ai fait cas de l'article que je vous ai dit. Donc on dit toute autorité dépositaire de la force publique doit faire en sorte que la décision soit exécutée sous peine de sanction pénale. La sanction pénale, ça prévoit un emprisonnement de 6 mois à moins de 2 ans et d'une moins de 10 000 à 20 000 francs. Donc vous voyez, le code pénal est clair, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code pénal qui dit une infraction est là et ça, il faut une plainte. Qui doit le constater et qui doit déposer la plainte Bon, la plainte, c'est la partie qui est lésée. Chaque fois, c'est une partie qui est lésée qui porte plainte. C'est la partie lésée qui déclenche l'action publique et elle va voir euh, la suite que le parquet va donner, si c'est opportun ou pas. Garé Amadou, Qu'est-ce qui explique euh, ce nouveau comportement des personnalités chargées de respecter et faire respecter la loi oui, mais je ne, suis, je ne fais pas partie de ces personnalités-là, donc euh, ne me posez pas cette question-là, C'est n'est pas, pas à moi de répondre. Vous devez poser la question à ces personnalités-là, mais moi je suis contre le principe quand même de, de, du non-respect des décisions de justice. Je l'ai toujours été. Et d'ailleurs, j'ai critiqué la société civile par rapport à ça. C'est pas aujourd'hui que je vais changer. Je pense que, effectivement, comme l'a dit ce magistrat, les autorités, euh, euh, en tout cas qu'elles soient régionales, sous-régionales ou qu'elles soient nationales, doivent apprendre à respecter les décisions de justice parce que c'est la base sur laquelle euh, on est assis quand même le socle de justice. Et je dis que j'invite quand même les structures qui se sentent lésées, comme il l'a dit, à porter plainte. Je ne sais pas si elles euh, l'ont fait ou pas, n'est-ce pas À ma connaissance, non. Et ça m'étonne parce que pour moi, quand vous constatez que vos droits sont lésés, quand vous constatez qu'une décision qui vous est défavorable n'a pas été appliquée, eh bien, il est de votre droit, de votre bon devoir, n'est-ce pas, euh, de, pouvoir en tout cas faire recours, en tout cas de porter plainte par rapport à cela. Je pense que c'est ça qui fait un état de droit. Vraiment, euh, je, je dis, je suis contre le fait de ne pas respecter les décisions de justice et je maintiens ce cap-là. C'est un cap que je veux maintenir. Il faut que tout repose sur la loi et que force reste à la loi. Donc, quand une décision de justice est donnée, qu'elle vous soit favorable ou soit il faut que vous la respectiez. Si vous avez un recours à faire, vous faites un recours au niveau de la justice. Et dans le cas d'espèce, je crois que ceux qui sentent qu'ils ont été lésés, il est de bon droit de quand même porter plainte par rapport à la, euh, au respect de cette décision. Abachari Arimi, c'est un constat. Plusieurs décisions de justice souffrent par le refus ou la lenteur de certaines autorités à les exécuter. Comment comprendre ces pratiques dans un état dit de droit où tous les citoyens sont en principe égaux devant la loi non, moi je pense qu'il y en a qui euh, croient tout simplement qu'ils sont au-dessus de ces décisions-là. Hormis, euh, c'est-à-dire en plus de tout ce qu'il y a comme arsenal euh, vraiment juridique qu'il y a dans ce pays, n'est-ce pas Tout ce que nous tous nous connaissons, tout ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, eh, hormis euh, en dehors même de, de, de, la séparation de pouvoir tant prônée dans ces discours par le président de la République, on se rend compte que des autorités, n'est-ce pas, parce qu'ils ont un décret, parce qu'ils ont euh, un pouvoir, n'est-ce pas, refusent d'exécuter une décision de pouvoir. Moi, je pense que ces personnes euh, normalement, devraient être tout simplement d'abord démis de leurs fonction avant la plainte des personnes, des partis qui se sentent lésés, et pour qu'ils soient sanctionnés. C'est extrêmement grave parce que ça peut euh, ça, ça, ça, peut conduire à une dégénérescence d'une situation telle qu'on ne peut pas l'estimer. Aujourd'hui, par exemple, euh, il y a beaucoup de situations où c'est la société civile qui va en référer euh, face aux autorités euh, communales euh, une décision est rendue, comme c'est le cas à, Maradi, n'est-ce pas Quelqu'un refuse d'obtempérer. Si les personnes, souvent à des foules, c'est à des masses, on a vu comment des leaders arrivent tant bien que mal à gérer des, des masses qu'ils ont eu à mobiliser. Si cette foule se déchaîne, si des actes sont posés, qui répond Qui répond Sincèrement, c'est extrêmement euh, grave et moi je suis surpris. Quelqu'un qui peut être à la tête d'une région, quelqu'un qui peut être à la tête d'un ministère, soit réduit à ça. C'est extrêmement grave à mon avis. Allez, allez égarer. Quelques secondes quand même que c'est vrai. Euh, euh, il faut faire extrêmement attention par rapport au non-respect des décisions juste de la part de l'autorité. Parce que, comme il a dit, Armi, euh, euh, c'est, par exemple, si, par exemple, ceux qui avaient voulu organiser la manifestation, quand ils ont compris que la décision n'a pas été respectée, s'ils avaient décidé que de passer outre, en ce moment, personne ne pouvait les condamner. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il y a des situations parfois qui, peuvent être très mal gérées et qui peuvent dégénérer. Je suis d'accord avec ce qu'Armi a dit. Autre sujet euh, de l'actualité, euh, c'est ce nouvel enlèvement d'un expatrié. C'est un humanitaire allemand euh, qui a été enlevé mercredi 11 avril par des hommes armés à 30 km du département d'Ayoru, région de Tilaberi, une zone frontalière au Mali en proie à des attaques djihadistes récurrentes et autres braquages. Garé Amadou, comment expliquer euh, cet autre enlèvement dans une zone sous état d'urgence avec des moyens colossaux existants dans cette partie du Sahel moi c'est pas euh, pas comment expliquer cette, situation, mais comment est-ce que un expatrié va partir dans une zone Moi j'étais à Yoru, mais à Yoru, quand vous partez, vous avez la chair de poule, vous sentez qu'il y a l'insécurité. Mais comment avec toutes les notices avec tous les avertissements que les ambassades donnent, comment est-ce que les Occidentaux peuvent s'aventurer dans une zone comme ça Moi, c'est ça que je ne comprends pas. On dirait que les gens prennent un malin plaisir à se faire enlever, vraiment pour créer des problèmes à un État ou à leur propre pays. Mais comment on peut comprendre 30 km au niveau de la frontière, qu'on vous dise que, excusez-moi le terme, il y a un blanc au niveau de... Quand on sait la valeur, la valeur, euh, je parle au niveau de, au niveau de ce, que, ce que représente un, un expatrié, enfin un ressortissant européen, pour les terroristes. Comment tu peux t'aventurer dans cette zone-là moi, pour moi, les gens cherchent des problèmes. Franchement, pour moi, les gens cherchent des problèmes. Parce que, les gars les ambassades, régulièrement, elles adressent des notices pour dire aux gens de faire attention. La dernière notice, je crois que c'est de faire attention au niveau de la zone de la Tapoa, les zones frontalières du Mali, etc. Et malgré tout, il y a des gens imprudents ou des téméraires qui s'aventurent dans cette zone-là. Apparemment, il était seul. Mais comment, euh, il n'était pas seul, il était avec euh, des Nigériens. Ouais, mais enfin, les Nigériens, ça n'intéresse pas les terroristes. Enlever un Nigérien, ça fait quoi Mais quand vous enlevez un, Français, quand vous enlevez un Espagnol, quand vous enlevez un Italien, même un Américain, il ne coûte pas cher. Un Américain, les Américains ne payent jamais. Donc, vous pouvez Mais enlever un Occidental, ça coûte cher. On a vu ce que les, les, terroristes ont exigé comme rançon auparavant, il y a quelques années, et que les pays occidentaux ont payé. Comment pouvez-vous comment pouvez comprendre qu'un un, un blanc, excusez-moi vraiment le, terme, je n'aime pas, mais pour que les gens puissent comprendre, va s'aventurer dans une zone comme ça. Malgré tout ce qu'on a mis en garde contre Comment on peut comprendre ça Franchement, moi j'ai un appel à lancer à l'égard des Occidentaux. Méfiez-vous de ces zones frontalières avec le Mali. Vous savez très bien qu'il y a des attaques. Vous savez que bien que sont des zones qui sont infestées par les groupes terroristes. De grâce, ne créez pas de problèmes au Niger, ne créez pas de problèmes avec votre pays. Éloignez-vous de ces zones-là, quel que soit le motif ailleurs, qu'il soit humanitaire, éloignez-vous. Les terroristes n'en ont cure. Ils s'en foutent de savoir que vous êtes là pour des actions humanitaires au profit de la Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est votre couleur de peau. Ça vous cher. Abachari Arimi, c'est un constat, presque toutes euh, les attaques terroristes euh, dans cette zone ont un point commun, c'est le retrait en territoire malien. Comment, comment l'expliquer avec euh, toutes euh, ces forces, euh, nombreuses des pays installés depuis des années au Mali, justement pour combattre ce fléau Oui, sincèrement, hein, cette zone, j'ai été à Difa, j'ai été dans le nord à Agadez, dans l'espace de, de, moins d'un an. Et il y a moins de deux mois, j'étais à Ayoru, je suis allé jusqu'à Gao. Et sincèrement, cette zone, la présence militaire, elle est réelle. Euh, je ne l'ai pas senti à Agadez, je ne l'ai pas senti à Difa, mais les militaires sont là jusqu'à jusqu'aux barrières. C'est les militaires qui contrôlaient à certains endroits. Mais c'est aussi surprenant, quand même, que je ne sais pas qui l'a, qui l'a enlevé, mais vraiment. C'est des hommes d'armée euh, qui circulaient en moto. Alors, vraiment, s'introduisent jusqu'à, vous savez, à 30 km de la ville, même. C'est à 30 km de Ayuru. Déjà, c'est une zone très contrôlée, je vous assure. Et j'ai été impressionné par les jeunes euh, soldats nigériens que, que j'ai eu là-bas, j'ai vu là-bas. Et c'est étonnant. Autrement dit, ces personnes ont une maîtrise parfaite du, terrain. Moi, c'est comme ça seulement qu'on peut expliquer. Parce que je vous assure, de Tilaberi jusqu'à Gao, la présence militaire, je n'ai jamais vu. on n'a pas besoin de t'expliquer, c'est une zone vraiment rouge, c'est une zone en guerre. Donc, c'est des personnes qui ont pris le temps de s'adapter, c'est le des personnes qui ont pris le temps vraiment de, de, de, comprendre tout le mécanisme, de s'informer, d'avoir l'information la vraie, la plus fiable. Parce que vous vous rappelez aussi quand même, malgré tout, ils ont pu s'introduire, attaquer, y compris jusqu'à à, Yerouville. Bon, c'est extraordinaire, c'est le mécanisme d'une guerre autant tu te prépares pour te défendre, autant l'adversaire, l'ennemi, aussi monte son niveau de réflexion. Je crois que c'est pour dire que c'est extrêmement grave et ce n'est pas étonnant s'ils arrivent à le faire à Niamey, quoi. J'informe nos auditeurs que notre troisième invité, Sedi Kali, vient de nous rejoindre dans ce studio. Sedi Kali, quelle est votre réflexion sur ce sujet Car malgré tout, le danger est toujours présent dans cette région de Tilaberi. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, mes chers invités. bonsoir, les auditeurs. Moi, euh, c'est d'abord pas l'acte d'enlèvement en tant que tel encore moins le mode opératoire qui m'étonne. Euh, tout à l'heure, euh, Garel a dit, d'abord la question euh, élémentaire qui vous vient à l'esprit, aussitôt après avoir appris ce genre de choses, c'est que l'occidental, l'allemand, qu'est-ce qu'il cherche d'abord dans la zone Qui il est Il travaille pour une, ONG américaine. D'accord. d'accord, une ONG américaine, mais aujourd'hui tout le monde sait qu'il y a des zones d'insécurité que l'État du Niger a déclaré et que toutes les organisations internationales, les missions diplomatiques au Niger et les États amis sont informés sur les décisions du gouvernement nigérien par rapport vraiment en tout cas au caractère un peu dangereux de certaines zones. Et en ce qui concerne la zone de Tirabéry, aujourd'hui tout le monde est d'accord que euh, la frontière euh, nigéro-malienne est une frontière dangereuse. Le Grand Nord, il faut se méfier. Et d'ailleurs, pour euh, votre information, moi, euh, récemment, j'étais à Paris. Et je vous informe que dans le cadre vraiment d'une euh, mission, par exemple, de, de marketing, de communication que nous sommes en train d'initier, surtout par rapport au caractère un peu fréquentable des États du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous partez dans les, les États occidentaux, ils vous disent sans embâche que des pays comme le Niger, le, Burkina, le Mali, autres, ce pas des pays fréquentables. Il n'y a pas de zone euh, spécifique, mais on vous dit que tous ces pays-là ne sont pas fréquentables. Et pour votre information, je vous donne que euh, la carte officielle au niveau du Quai d'Orsay, qui concerne le Niger, c'est une carte qui est peinte complètement rouge. Euh, je, rappelle à nos auditeurs que l'humanitaire qui travaillait pour une ONG allemande du nom de HELP oui, euh, help. Je connais très bien help, l'ONG help. Donc, c'est pour vous dire que, d'abord, quelle que soit votre mission, quel que soit votre statut, vous devez vous conformer aux consignes que l'autorité nigérienne donne. On, se rappelle également l'Américain qui a été euh, enlevé à Abalak euh, tout récemment. Il y en a beaucoup. Il y a, les Américains qui ont été enlevés. Il y a d'autres qui sont même vraiment, en euh, actuellement dans les mains des terroristes. Mais c'est une zone aujourd'hui où même l'État du Niger n'a pas un contrôle absolu là-dessus. C'est-à-dire que dans, un, dans une situation de ce genre, c'est que personne n'a la maîtrise parfaite. Les terroristes cherchent à poser des actes, des clats, et maintenant, la deuxième question justement que je me pose, pourquoi en ce moment précis Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le Niger accueille l'opération Flintlock. Flintlock, c'est-à-dire c'est une opération à dimension internationale qui regroupe au moins 25 pays du monde qui ont réuni plus de 1500 militaires de nationalités différentes qui sont en train de faire des opérations, vraiment en tout cas de, de démonstrations, vraiment en tout cas de force. Alors maintenant, pourquoi en ce moment précis les, terroristes interviennent pour enlever un Allemand, alors que même l'Allemand participe à ces opérations. C'est pour vous dire que, c'est-à-dire, ça procède de chaque côté, c'est-à-dire du côté surtout des terroristes, d'un agenda bien précis. C'est-à-dire qu'ils veulent poser un acte d'éclat pour montrer à l'opinion internationale qu'ils ont vraiment, en tout cas, la capacité de frapper où ils veulent, quand ils veulent et qui ils veulent. Les cours semblent avoir repris dans toutes les facultés à l'université Abdou Moumouni de Niamey après euh, plusieurs mois, euh, euh, après plusieurs jours de semaines de perturbations venant des étudiants, mais aussi de la grève des enseignants-chercheurs. Et il existe encore des risques de nouveaux débrayages à l'université de Niamey, voire même dans les autres régions du pays. Euh, Sédicali, euh, en tant qu'observateur, quelle lecture faites-vous à propos des soubresauts constatés euh, cette année à l'université Abdoumouni de Niamey Je déplore le fait. C'est un fait extrêmement dramatique. Moi, en tant que jeune, et vraiment, en tout cas, ayant fait un parcours vraiment jalonné d'embûches et d'obstacles, j'ai vécu des situations extrêmement graves. J'ai été étudiant, j'ai été syndiqué, j'ai vraiment agi. La preuve, même en 1990, je suis ici à Niamey, parmi les acteurs. Mais avec l'âge, on se rend compte que souvent, euh, on perd tout en s'investissant dans ce genre de mouvement. C'est-à-dire que c'est vrai, personne ne peut dire qu'un mouvement de revendication est illégal et vraiment inapproprié. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que le plus grand perdant, c'est soi-même. Depuis la rentrée, euh, aujourd'hui, moi je suis actuellement père d'enfants. Chaque 48 heures, mes enfants reviennent à la maison pour me dire Papa, il y a une grève, il y a un débrayage. Ceux du public sont venus dans le privé les délogés, ceux du privé sont partis ailleurs, des trucs comme ça. Et au niveau de l'université, ce qui est déplorable, ce sont le plus souvent des enfants majeurs qui sont arrivés presque à terme de leur étude à l'université, quand même, on est déjà censé comprendre tout. Parce que n'est pas euh, qui le veut, Vraiment, en tout cas, euh, n'est pas étudiant qui le veut, je veux dire. Donc, une fois à l'université, on doit au moins prendre conscience que vous êtes presque arrivé à terme. Il vous reste un peu pour finir vos études et aller occuper de hautes fonctions. Une fois que vous êtes de l'autre côté vraiment du mur, vous comprendrez que vraiment, en tout cas, tout ce qu'on a fait de par le passé, et souvent ça rime avec aventure. Maintenant, le problème précis de l'université de Niamey, euh, en ce qui concerne par exemple les relations entre les enseignants-chercheurs et les étudiants, euh, moi, personnellement, je dis que vraiment, c'est des choses qui peuvent se régler même au sein de l'université. On n'a pas besoin de s'exporter jusqu'à vraiment, en tout cas, euh, vraiment dehors pour que l'opinion publique nationale, internationale, tout le monde s'en rende compte qu'il y a des problèmes au niveau de l'université. Si vraiment le, le, le vrai mobile est cette situation qui est créée entre les enseignants et les étudiants, je pense qu'ils peuvent trouver vraiment un modus vivendi à leur sein, dialoguer et alors que vraiment, en tout cas, au niveau même des enseignants-chercheurs, moi, je me suis toujours dit que, quel que soit votre âge, si vous êtes sur le banc de l'école, vous devez vous comporter en élève. vraiment, en tout cas, et avoir une relation saine, une relation vraiment, en tout cas, de déférence vis-à-vis de votre enseignant. Mais si vous, commencez à défier votre enseignant, celui qui a vraiment, en tout cas, la maîtrise de votre destin, celui qui vous note, il vous donne zéro, vous êtes parti. Il vous donne dix, vous, vous passez. Donc, c'est pourquoi moi, je dis, il faut que, encore que c'est des anciens, c'est des anciens. Il y a aussi quand même les contraintes de l'âge. Nous sommes dans une situation où, par exemple, les valeurs morales doivent être respectées. Donc, vraiment, c'est les étudiants de mettre de l'eau dans leur vin afin que vraiment la situation revienne à la normale. Abachari Arimi, y a-t-il encore des questions non réglées qui risquent de maintenir la crise à l'université Mais écoute, euh, euh, je répondis sur ce que Sidique vient de, dire, euh, parce que j'ai suis frustré j'ai tout simplement le sentiment que euh, les enseignants, parce qu'ils tiennent euh, les, les, étudiants, abusent vraiment de leur euh, stylo. tout simplement parce que ça ne peut pas ne pas arriver. Quelque, même si c'est des moutons que tu mets à la place de de ces étudiants, les quiproquos, les accrochages entre chez nous on dit même la dent et la langue finissent par se bagarrer un jour. Et la langue euh, est blessée, ensanglantée. Ça arrive tout le temps. Donc c'est inévitable. Et euh, normalement, même si on revient encore dans la société qui est la nôtre, c'est au grand de se surpasser. De se surpasser. Si parce que un jeune euh, a t'a dit des mots déplacés, n'est-ce pas Tu dois aller jusqu'à demander son exclusion d'une université après 20 ans d'études, parce qu'on sait comment on parvient jusqu'à l'université. Après des années blanches, après des redoublements, et tout, voilà que tout cet investissement, souvent de toute une famille, est jeté tout simplement. Parce que quelqu'un s'est senti dans son orgueil, dans son amour propre choqué. Moi, c'est comme ça. Hein. Si je, me retrouverai devant cet, enseignant-chercheur, je lui répéterai, euh, je répéterai la même chose. Donc, c'est ce sentiment que j'ai et ça ne peut pas ne pas euh, ressurgir. Vraiment, je pense que l'enseignant-chercheur, c'est celui-là qui s'élève euh, et qui peut trouver la solution pour tout le monde. Et ils ont la capacité de trouver la solution renvoyer, mais ça te donne quoi de renvoyer un étudiant, sincèrement Gary Amadou, quels sont les leviers à toucher pour sauver l'année académique à l'université Abdou de Niamey D'abord, il faut, il faut réintégrer les étudiants qui ont été exclus. Parce que, bon, quand on voit ce qui se passe, mais est-ce que ça valait la peine tout cela Quand vous voyez le petit incident, un enseignant-chercheur qui a, pour moi, un négocié surdimensionné, un négoci qui, qui fait de, du petit feu là, de la lui mettre là, il fait un feu de brousse. Quelque chose qui ne vaut pas la peine, on en fait tout un tintamarre et on bloque l'université jusqu'à exclure des étudiants. Est-ce que le conseil de l'université qui a exclu, est-ce qu'il a pensé aux parents qui ont dépensé de l'argent pour mettre ses enfants là à l'école Et puis pour des broutilles. Franchement, bouge ta voiture. Non, je ne bouge pas ma voiture. C'est tout. Il n'a pas été frappé, il n'a rien du tout. Et c'est ça, et pour ça, on, on train de mettre en paix l'université de Est-ce que ça valait la peine De grâce. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Arémi. C'est-à-dire que moi, les enseignants, je les ai critiqués ici sur ce plateau, je les ai critiqués sur l'autre plateau. Moi, je ne comprends pas leur comportement. Je ne comprends pas. Parce que pour moi, ça ne valait vraiment pas la peine d'aller aussi loin. Il y a quelques jours de cela, une concerne m'a appelé de Dakar. Elle dit que comprend pas. J'ai dit, mais même nous, on ne comprend pas. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire tellement banale que les gens ont grossi. Ils lui ont donné une dimension nationale alors que ça ne valait pas la peine. Si vous entendez, je, lui ai dit, madame, si vous entendez ce qui a amené tout ce problème-là, vous allez être euh, euh, bah, par terre. Tout simplement parce que bouge ta voiture, non, je bouge pas ma voiture, etc. Et c'est fini. L'université bloquée un mois, les étudiants exclus, et maintenant, non. Et je pense que pour amener la sérénité, ce que je dis, il faut d'abord réintégrer les étudiants qui ont été exclus. Parce que pour moi, ils ne méritent pas le châtiment qui leur a été infligé. Ils ne méritent pas cela. Ensuite, mettre sur la même table étudiants et enseignants pour que ensemble, en famille, le en famille, les étudiants euh, présentent des excuses formelles et que vraiment les choses reviennent à la normale. La Fédération nigérienne du football, la FENIFOOT, a tenu son assemblée générale ordinaire samedi dernier à Tawa, un an après celle du Maradi en 2017. À l'ordre du jour, le rapport financier, la proposition du football professionnel et les préparatifs de la Coupe d'Afrique des moins de 19 ans qui aura lieu, Inch'Allah, en 2019 au Niger. Parmi euh, les décisions prises, l'exclusion de certains euh, de toute activité relative au football au Niger. Abachari Arimi, euh, rapidement, quelles sont les zones d'ombre ou encore les non-dits de cette Assemblée générale de la FINIFOOT Non, c'est la recrudescence de l'intolérance, n'est-ce pas euh, le, La non-acceptation de l'autre, surtout s'il est mal pensant, je voudrais dire, s'il ne pense pas comme vous. Et moi, je pense qu'à la foot, c'est du sport qu'on fait, on doit être fair-play et on doit accepter. C'est même gênant d'apprendre que les personnes incriminés. L'un, euh, l'une sanctionné six mois, l'autre radié. À vie. Ah même au niveau de la FIFA, moi je ne sais même pas si quelqu'un a été radié à vie. N'est-ce pas Mais c'est régulier depuis un certain temps au football et dans le sport nigérien. Les gens ont trouvé la solution. Ces deux personnes étaient candidats à la présidence de la FENIFOOT. Pourquoi moi je ne me dirais pas que parce qu'ils font de l'ombre à quelqu'un, on veut tout simplement les écarter. Pour un football qui ne marche pas, qui a besoin de tous ses fils, ça ne marche pas. Gary Amadou, rapidement, en 15 secondes. Oui, c'est que, ce qu'on a compris, c'est qu'il ne faut jamais se confronter à, à Parce que si vous vous confrontez à Pelé, <laughs> vous allez reporter les pots cassés. Parce que, bon, radier à vie. C'est des ah <laughs> rapidement. Moi, je, ne personnifie pas beaucoup ce problème. Mais moi, je me suis dit quand même que d'abord, le plus grand perdant dans cette affaire, c'est le Niger c'est le Niger parce que notre football aujourd'hui a du mal à décoller du fait de comportement irresponsable des égaux vraiment si tu mentionnes Tout à l'heure, l'autre a dit, je vois le mot, c'est-à-dire de certaines personnes. Et déjà, tout le monde sait que, vraiment, en tout cas, à la veille de l'organisation, de la tenue de ce grand événement, déjà, il y avait des problèmes. Donc, il faut carrément au plus haut sommet de l'État, mais toujours, écoutez, chaque fois qu'il y a des grandes victoires, voilà, voilà, c'est Aujourd'hui, il faut que le président de la République tape sur la table pour arrêter ça. Ce sont des petits comiques qui sont en train de créer des problèmes et, c'est le Niger qui va perdre. Voilà. Je fais appel à la responsabilité cerita Nous sommes, au, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Abba Arimi de la radio alternative, Garé Amadou du quotidien La Nation. Nous étions également avec Sedi Kali, journaliste, analyste politique. Merci à vous tous et merci à nos auditeurs, euh, à nos auditeurs euh, du studio Kalangou. Euh, rendez-vous demain, samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada et le, pour le forum à Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Nous, ils nous parleront de l'image de la femme nigérienne sous le drapeau ou encore de la femme en Merci, au revoir.